forum district the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui s'est étendu aux localités de Tanout, Madawa, Dakoro, Doganduki, Walam, Tira, Ngingimi, Kablewa et Kwaratagi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit au total 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, le forum est consacré à la question d'actualité au sujet de l'évaluation des enseignants contractuels créés à main organisé par le gouvernement nigérien en juillet, en juillet dernier. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Ashana Hima, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Ashana Hima, bonsoir. Bonsoir. Isaka Oumarou, représentant la synergie cause Niger-Sinaseb. Isaka Omaru, bonsoir. Avec nous également Inous Hassan Djouri, représentant à ce EPT, e c'est la coalition des ONG et associations pour une éducation pour tous. Euh, Inous Hassan Djouri, bonsoir. Bonsoir. Au total, 60 000 enseignants contractuels appelés créés en main enseignants de terrain sont concernés par la question de l'évaluation initiée et organisée par le gouvernement nigérien malgré l'appel au boycott des syndicats de l'enseignement dans leur ensemble. Programmée et reportée à plusieurs reprises, cette évaluation s'est finalement avérée nécessaire selon le ministre de l'enseignement primaire Daouda Mamadou Marté. 15, 5% des enseignants des écoles primaires avaient un niveau très mauvais, tandis que 50% des élèves du cours préparatoire lisent à peine une lettre de l'alphabet. Ashana Ima, quels sont les réels mobiles de cette évaluation Merci à vous, donc, Studio Kalangou, de nous avoir donné l'opportunité de débattre encore sur cette question d'actualité relativement à la question de la qualité d'éducation. Comme tout le monde le sait, comme on l'a dit ici plusieurs fois sur ce plateau, les questions de qualité d'éducation sont des questions qui sont actualité dans tout le monde et particulièrement en Afrique et au Niger. Et suite au premier bilan du PDDE e qui a fait un diagnostic où il y a eu beaucoup d'accès, en fait sur l'accès il y a eu beaucoup d'avancées en termes d'inscription en fait à l'école, mais que l'action de la qualité donc en fait euh, reste encore un défi majeur. Et sur cette base là qui a été fait, le c'est ça un programme stratégique qui prend maintenant en quatre OLC pour tenir compte des différents segments du système éducatif afin de nous donner une certaine en harmonie et une sélection de la qualité. Des manifestes pour le Niger, plusieurs évaluations, tant internes qu'externes, internationales, ont démontré le faible niveau des élèves donc, fait, du Niger et même des enseignants. Et suite à ça, le ministère a élaboré une feuille de route pour rehausser la qualité de l'éducation à travers plusieurs réformes États-Unis, dont la question de l'évaluation comme affaire des enseignants. Vous avez pu suivre ces dernières années le nombre de cours normales qui a été fait augmenter et également les réformes à l'interne des écoles normales pour revoir les programmes d'enseignement et pour réduire cette fleuve de démission automatique au niveau des écoles normales, donc où les pourcentages à la fin sont à 100%, et également euh, toutes les mesures donc d'accompagnement qui permettent aux enseignants donc sur le terrain et aux futurs donc enseignants, n'est-ce pas, d'être des enseignants d'un bon niveau. Donc pour ce qui est des enseignants donc sur le, il a été envisagé une évaluation donc pour, euh, prédictive pour voir quel est le niveau minimal de chacun des enseignants, sur quel enseignant peut-on compter, quels sur lesquels on peut agir pour pouvoir inverser la tendance. C'est un peu ça le mobile de cette euh, évaluation. Vous avez parlé d'introduction nécessaire, non, elle est indispensable, c'est plus que nécessaire parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé donc à faire des manières à ce que les enfants et les, parents d'élèves, les futurs cadres de demain qu'on est Sinon, dans 10-20 ans, on n'aura pas de cadres, on n'aura pas de qui vont animer. Et donc, euh, quand vous allez partir, c'est un autre qu'on va prendre. Donc, c'est devenu indispensable, obligatoire, un chemin obligé pour le ministère de procéder à ce diagnostic qui vient de se passer. Donc, en fait, Dieu merci, n'est-ce pas, à la grande satisfaction, en tout cas, du ministère, où les grandes majorité des enseignants, quand même, ont pris part à cette évaluation et qui a révélé, quand même, des situations extrêmement, en fait, graves que l'opinion a dû, en fait, a dû comprendre, des situations qu'elle sait, puisque chacun a un enfant chez lui, chacun voit au retour de l'école comment l'enfant s'exprime, où quand même chacun voit ces dernières années, nos politiques éducatives en matière de recrutement d'enseignants ont été des politiques quand même euh, qui ont été assez légères et qu'il fallait remettre ça donc à fait en cause. Mais pendant ce temps, ceux qui sont sur le terrain, il faut aussi voir pour que les générations quand même entières ne soient pas, ne soient pas sacrifiées. Alors, Achanaïma, quels sont les enjeux pour le gouvernement dans cette euh, évaluation des enseignants créamés Les enjeux pour le gouvernement, c'est d'identifier les différents groupes donc, quels sont les enseignants qui sont capables de tenir Quels sont ceux qui nécessitent un renforcement des capacités pour qu'ils soient mis à jour Quels sont ceux qui, même avec un renforcement des capacités, ne peuvent pas tenir Et c'est ça le, le principal enjeu. L'enjeu principal, c'est de faire en sorte que seuls les enseignants capables d'enseigner soient dans les salles de classe. Malgré les appels au boycott des structures syndicales, cette évaluation a quand même eu lieu. Est-ce un pari gagné pour le gouvernement Bon, nous ne pouvons pas parler de pari gagné parce qu'il ne s'agit pas de compétition entre nous et les syndicats. Les syndicats ont leur vision, ont leur appréhension de malgré toutes les explications, ils ont leur appréhension. Nous avons expliqué ce que nous voulons faire. Ils ont appelé au boycott, peut-être sans consulter leur base. Mais que ça soit au niveau des dépôts de dossiers, souvenez-vous, qu'à ce ils ont déposé leur dossier. Et à la première phase de l'évaluation, puisqu'il y a eu le lundi passé, donc, euh, session, de, rattrapage. 91% déjà ont répondu à fait présent. Donc, rejetant par ce fait l'appel au boycott que les syndicats, fait, ont laissé. Ça arrive que les syndicats, les bureaucrates pensent quelque chose et que la base n'est pas d'accord. Ici, nous, ici à Paris, c'est le fait que les anciens ont compris, ils ont adhéré massivement en participant de manière, en tout cas, au quasi totale à cette question, à cette évaluation. Issaka Oumarou, représentant la synergie cause Niger Sinaseb, vous avez appelé vos militants à boycotter l'évaluation. Vous rejetez ces résultats. Pourquoi cette rigidité dans votre position Cette situation d'évaluation qui a fait couler tant de donc aujourd'hui, depuis le début, il faudrait que nos auditeurs. comprennent effectivement la position de la synergie cause Niger-Sinacé parce que avant la décision de d'évaluer les enseignants, nous avons vu eh, plusieurs tentatives de réduction des enseignants entrepris par le ministère en charge de l'enseignement. Si vous vous rappelez, en octobre dernier, le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement primaire, avait décidé de reverser tous les enseignants contractuels dans les municipalités. Nous estimons que c'est une situation 或。 le ministère veut se débarrasser d'un nombre important de son effectif afin de pouvoir répondre à des exigences au niveau des bailleurs de fonds ou bien au niveau international. Et par rapport à ça, vous avez suivi aussi euh, la situation de la Halcia où, en tant que structure syndicale, nous-mêmes, nous avons exigé un audit du personnel enseignant. L'audit du personnel enseignant, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons compris effectivement qu'il y a des enseignants qui ne sont pas capables. Des enseignants fictifs aussi Oui, des enseignants qui ne sont pas capables d'enseigner. Il y a des enseignants fictifs, c'est-à-dire des contractuels qui ne sont que contractuels par leur nom, qui ne sont pas physiquement présents dans leur salle et dans des salles de classe. Nous avons également compris qu'il y a beaucoup d'enseignants qui détiennent des faux diplômes. Nous, en tant que structure syndicale, lors de notre conseil à Tilaberi, nous avons exigé un audit du personnel. Et vous avez vu, la Halcia a pris cette situation et jusque-là, il n'y a pas eu de rapport parce que nous avons estimé à un certain moment que le retard dans le paiement des pécules est dû au fait que l'effectif des enseignants est important et que souvent le gouvernement n'arrive pas à faire face financièrement, il va falloir pour nous et pour le gouvernement de revoir l'effectif de dissocier ceux qui peuvent réellement être enseignants et de remercier ceux qui ne peuvent pas l'être. Mais malheureusement, cette situation, vous avez vu, elle n'a pas abouti jusque-là. Et c'est en ce moment que nous avons tenu plusieurs réunions avec le ministère par rapport à cette évaluation. Il faudrait aussi rappeler à nos auditeurs que la synergie cause niger sinaseb et toutes les structures syndicales n'ont jamais été contre l'évaluation des enseignants. Mais nous avons tout simplement exigé à ce que cette évaluation respecte le statut général de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait. Et en dehors de l'illégalité de l'évaluation telle que le ministère a voulu le faire aujourd'hui, il y a beaucoup d'irrégularités que nous, en tant que structure syndicale, nous avons relevées dans l'organisation de cette dernière. Donc, du coup, si M. Achana dit que le ministère vise à améliorer la qualité de l'enseignement, je dis le contraire parce que, au vu des actes posés dans cette, euh, à travers l'organisation de cette, de cette évaluation, nous nous posons la question est-ce que c'est la qualité que nous sommes Quel par exemple Par exemple, il faut reconnaître que et le premier jour de l'évaluation, la première séance de l'évaluation qui a concerné les enseignants sans formation initiale qui s'est déroulée entre le 16 et le 17 juillet, il faut reconnaître que la plupart des camarades n'ont pas répondu à cette évaluation le premier jour. Et le ministère a encore lancé un appel pour demander à ceux qui n'ont pas pu faire l'évaluation qui ont répondu à l'appel des syndicats de revenir le lendemain. Et très malheureusement, ce qui est très choquant, ce sont les mêmes épreuves qui sont administrées aux enseignants qui sont venus le lendemain pour faire le rattrapage et trois jours successifs. donc, de facto, on ne parle plus de qualité parce que les mêmes épreuves sont administrées aux enseignants trois jours successifs. Et malheureusement, lorsque le ministre, euh, le, ministre a proclamé le résultat, vous avez constaté un écart entre les enseignants évalués et les résultats obtenus rapport à ça, il faut reconnaître une chose. Peut-être le, ministère est au courant. Il y a des enseignants qui ne se sont pas présentés le jour de l'évaluation, qui sont sur les listes d'absence, mais qui malheureusement, par je ne sais quel miracle, se sont retrouvés sur la liste de ceux qui ont composé souvent, qui ont même eu la moyenne de passer. Donc, vous voyez, parce que le ministre avait dans son point de presse les chiffres qui ont été donnés, c'est 56 euh, 000 et quelques enseignants, 44, je pense, enseignants qui ont été évalués. Mais quand vous faites le calcul par rapport au nombre d'enseignants qui sont dans les groupes, parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé les différents résultats, vous allez avoir un nombre de 57 000 et soit un écart d'à peu près 1112 enseignants. Ce qui explique cela, c'est parce que le même enseignant peut se retrouver et sur la liste des absents et sur la liste de ceux qui ont évalué. Donc, voyez-vous, il n'y a pas eu de sérieux. Donc, nous, nous ne pouvons pas parler de qualité dans cette situation. Si réellement le ministère est soucieux de la qualité de facto, cette évaluation doit être annulée parce qu'elle n'a pas visé l'objectif voulu par le ministère. Issa Komoru, à travers l'organisation de cette évaluation, l'on a découvert de nombreux cas sans le niveau pour prétendre enseigner. Fallait-il laisser faire au détriment de l'école publique nigérienne Nous, nous avons dit évaluer les enseignants. Je, le disais tantôt, nous avons même exigé cette évaluation. Nous l'avons exigé à travers notre dernier conseil syndical. Mais pourquoi vous appelez au boycott alors Oui, parce que l'évaluation telle que veut le faire aujourd'hui le ministère ne cadre pas avec le statut général de la fonction publique. Nous avons demandé au ministère de s'en tenir aux dispositions du statut général de la fonction publique. Si vous vous rappelez, le ministère a même saisi le Conseil d'État par rapport à ça. Et il faut noter que le ministère a trompé la vigilance du Conseil d'État parce que le ministère a tout simplement demandé est-ce qu'il a la possibilité d'évaluer les enseignants, ce qui est bien normal. Chaque ministère a la possibilité d'évaluer son agent. Mais comment évaluer Quelles sont les dispositions qui définissent cette évaluation Il faut noter que les contractuels sont régis par le statut général de la fonction publique depuis 2007. Donc on ne peut pas évaluer un enseignant comme on le veut. On doit évaluer un enseignant en fonction des dispositions du statut général de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi nous, nous avons appelé au boycott, malgré que le ministère s'est entêté à le faire aujourd'hui aujourd'hui, le ministère en âme et conscience sait que l'objectif n'est pas atteint parce que aujourd'hui, tous les enseignants qui ont la moyenne de passer ne sont pas forcément les bons enseignants. Tous les enseignants qui ont des mauvaises notes ne sont pas forcément les mauvais enseignants. Au niveau de la synergie cause Niger Sinaseb, vous avez fait le bilan Nous n'avons pas encore euh, fait le bilan. Nous avons tout simplement suivi les résultats proclamés par le ministère. Inoussa Hassan Djouri, représentant ASOEPT. ASOEPT, c'est la coalition des ONG et associations pour une éducation pour tous. Quelle est la position de la société civile par rapport à cette question de l'évaluation des enseignants contractuels créés main Bien, merci et je vous remercie d'avoir invité à EPT e une fois de plus sur ce plateau donc euh, pour participer à un débat qui porte sur euh, l'éducation. Bon, il faudrait d'abord commencer à dire qu'il euh, y a eu des inquiétudes par rapport à ce qui s'est passé. Parce que les enseignants qu'on appelle aujourd'hui des, des enseignants défaillants ou insuffisants, mais comment ils ont été recrutés Dans quelles conditions ils ont été recrutés C'est-à-dire si on voulait la qualité dès le début, il fallait évaluer au début avant de recruter. Donc ici, à ce niveau-là, il faut comprendre que eh, l'État qui a recruté a lui-même failli parce qu'on ne peut pas recruter n'importe comment et après se plaindre. Donc c'était une question qui devait être examinée dès le départ. Ça, c'est le premier aspect. Donc, à ce niveau, c'est l'État qui a failli. L'État a failli, c'est clair, parce que ce n'est pas les enseignants qui se sont recrutés eux-mêmes. Il y a eu quand même l'institution qui les a recrutés. Maintenant, dans quelles conditions ils ont été recrutés Dans tous les cas, les conséquences de, par rapport au recrutement, c'est l'État. Et nous, ça, il n'est jamais tard pour mieux faire, euh, selon beaucoup de gens. Non, je suis d'accord avec vous. Euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'allais le dire d'ailleurs avant que vous ne me posiez la question. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons des enseignants défaillants. Il y en a toujours eu des enseignants défaillants. Mais le gouvernement gouvernement a toujours adopté une attitude allant dans le sens d'améliorer la qualité des enseignants. Et la qualité des enseignants, ils savent tous par quelle méthode on passe pour améliorer la qualité de l'enseignant. Ce n'est pas un concours. Un concours, vous pouvez être le meilleur du monde, vous pouvez échouer à un concours. Tout dépend de ce qu'on va vous demander. Un enseignant, et tant que ce n'est pas dans l'ordre exact de ce qu'il fait, on lui pose une question, il peut ne pas répondre. Et cela ne veut pas dire forcément que c'est un mauvais enseignant. Vous comprenez Donc, pour moi, en tout cas, eh, au niveau des associations, ce n'était pas la bonne méthode. Et ils ont un système de contrôle. Ils ont des enseignants, des, des, inspecteurs, pédagogiques. inspecteurs pédagogiques. À part les inspecteurs, il y en a ceux qui sont des conseillers pédagogiques. Tout ça, qui ont la responsabilité. Il y a même les directeurs d'école d'abord. Il faut commencer par les directeurs d'école. Si, si ce sont ces mêmes conseillers pédagogiques et les inspecteurs là qui ont recruté ces enseignants, est-ce qu'ils peuvent réellement les évaluer Bon, tout ça, ça fait partie du premier problème que j'ai soulevé. Parce que si c'est eux qui ont fait le recrutement, ils doivent normalement tester les nouveau avant de prendre. Donc on a mis la charrue devant les bœufs. Alors moi de mon point de vue, parce que parmi eux, ceux qui ont eu certainement les 0, des 0 à 3, il y en a qui ont déjà 10 ans ou même peut-être 15 ans d'enseignement. Ça, je dis, c'est une perte pour l'État. C'est une grosse perte. On a payé pendant 15 ans. Et celui-là, là, même si il a échoué au test qu'on a fait, cela ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais enseignant. Pour moi, on doit recadrer tout. On doit mettre au travail les conseils pédagogiques et les inspecteurs. Ils vont sur le terrain, ils ont leur méthode de tester les niveaux des enseignants. Ils ont leur méthode également de recadrer les niveaux des enseignants. Ils ont leur méthode de donner de la formation aux donc moi je dis tout ça là, c'est une démarche que l'État pouvait entreprendre. Ça allait peut-être éviter, nous éviter la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés. C'est une crise de l'éducation aujourd'hui, c'est une véritable crise. Il faut le reconnaître et je ne sais pas comment ça va se gérer avec le temps. Selon vous, cette euh, évaluation des enseignants contractuels euh, est-elle une priorité ou une nécessité euh, pour le Niger Je ne saurais vous dire la raison. On a dit c'est parce que la qualité, l'enseignement n'est pas bon. Mais la qualité de l'enseignement, ce n'est pas uniquement les enseignants. L'enseignement, c'est un tout. Il faut voir les autres aspects le, système dans son ensemble, selon vous Oui, le système dans son ensemble. L'élève, il peut être enseigné aujourd'hui par l'enseignant. Quand il va à la maison, il jette le cahier, il va dans la cour, il va s'amuser, il va pêcher. Il est évident que le lendemain, quand il vient, il n'est pas actif, il n'est pas bon. Ce qu'elle a appris là, il ne peut pas le réciter parce qu'il n'a pas révisé. Donc, pour moi, l'éducation, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement au niveau des enseignants. Vraiment, à mon humble conscience, on ne devait pas se mettre à, à faire un concours de ce genre qui, aujourd'hui, même un bon enseignant qu'on peut considérer le meilleur peut échouer parce que d'abord, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a posé comme question. On n'a pas montré les genres de questions qu'on a posées, seulement on a entendu quelques aspects. J'ai entendu par exemple, on dit un enseignant du franco-arabe qui ne sait pas qu'est-ce qui gâte les prières. Ça vraiment, je suis surpris. Je suis surpris, un enseignant du franco-arabe qui ne sait pas quelles sont les raisons qui peuvent gâter la prière. On a dit, il y a des gens qui n'ont pas pu trouver. Bon, bref, vraiment, je ne rentrerai pas dans, ce polémique, dans cette polémique plutôt, mais je sais que la méthode n'est pas bonne. Le gouvernement et les enseignants devaient trouver un mécanisme qui pourra permettre vraiment de régler tous ces problèmes-là sans qu'on ne soit prolongé aujourd'hui aujourd'hui dans cette crise. C'est le Niger qui perd. Achana Hima du ministère de l'Enseignement primaire, vous venez là d'écouter mm-hmm. Issa représentant la synergie cause Niger euh, Sinaseb et Inoussa Hassan Giori de la coalition ASOEPT. Qu'est-ce que vous pouvez euh, oui, donc, euh, ajouter en fait, comme commentaire Dans ce débat, vous savez, depuis quelque temps, je suis d'accord avec eux sur deux aspects. Je suis d'accord que l'État, c'est l'État qui a fait le diagnostic, qui a constaté les failles des actes qui ont été posés antérieurement. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui les a posés. Et dans une vie comme l'État, tout le monde, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez mal agi hier que vous n'allez pas décider de changer et qu'on va vous condamner parce que vous avez dit j'ai mal fait, aujourd'hui je vais changer. Ensuite, la deuxième, c'est que d'un point de vue communicationnel aussi, on n'a peut-être pas beaucoup communiqué, on a laissé beaucoup de gens parler de manière non professionnelle. On parle très souvent de l'évaluation des performances en confusion avec une évaluation prédictive ou diagnostique. C'est une question, il y a des choses qu'il faut connaître pour pouvoir faire le débat. La loi parle de l'évaluation des performances d'un agent de l'État qui est ici différente de l'évaluation qu'on veut faire, qu'une évaluation qui permet de dire quel est le niveau minima. En termes de connaissances dans le système école, on dit contenu et, Donc, en termes de contenu des matières fondamentales qui sont les mathématiques et le français. Et on a demandé aux enseignants, avec des épreuves des écoles primaires, vous avez entendu à ce épité, c'est dommage. Vous n'avez même pas vu les épreuves et vous vous prononcez. Alors que vous êtes une organisation qui a pris des engagements au plan international pour faire la campagne sur l'action de la qualité en vous alignant sur les politiques éducatives dessus, parce que si vous allez passer une politique éducative, vous n'allez pas aller dans nos écoles, puisque c'est un peu ça que je connais très bien comment ASSO, comment devrait fonctionner. Donc, vous n'avez pas eu les outils d'analyse pour vous prononcer, ne vous prononcez pas pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Nous, nous sommes euh, des professionnels, nous avons estimé que c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous avons écrit au Conseil d'État. Les gens, il faut quand même respecter le Conseil d'État pour dire qu'on l'a trompé, ce n'est pas n'importe qui qui est là-bas. Et nous avons demandé est-ce qu'il nous est possible de faire une évaluation avec tous les documents que tout le monde sait pour leur dire nous voulons évaluer les les enseignants pour avoir leur niveau minimum pas l'évaluation des performances qui est décrite par la loi. Et le Conseil d'État a estimé que tel qu'on veut la faire, fait c'est possible. Du reste, co Niger a saisi le Conseil, le même Conseil d'État, en posant mieux les questions pour qu'ils soient pas, ils ont fait un échec quand même accusant. Ce que nous aurions aimé, ce que les enseignants ont été, on leur demandé de boycotter, les enseignants ont refusé de boycotter. Ils ont amené au Conseil d'État, ils ont été déboutis. C'est la lutte, ça arrive comme ça. Il faut maintenant changer de fusil d'épaule et revenir s'asseoir pour dire, OK, j'ai cru que j'ai raison. Maintenant que je constate, j'ai tort à la fois sur le plan légal, j'ai tort également, même par rapport aux gens auprès de, pour, le compte de qui je compte lutter et même moins désavoué, eh bien, euh, euh, l'évaluation donc en fait a lieu, faisant le débat de l'après donc en fait l'évaluation pour voir qu'est-ce qui s'est passé, Maintenant, qu'on rejette une chose et parler de, des actes qui auraient été en fait, il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite de toute façon. Et nous aurions aimé que ça soit, en accompagnant l'évaluation, en décriant éventuellement certaines en fait euh, euh, défaillances qu'on peut se faire. Mais souvent il y a des positions quand on les prend, il arrive de moments où on ne sait pas quoi faire parce qu'elles n'étaient pas rationnelles, elles n'étaient pas issues de la volonté de la base. C'est ça qui s'est passé un peu. Avec avec les syndicats. Mais je dis bien, ça arrive dans l'histoire que souvent on pense défendre les intérêts, donc en fait, mais en fait, euh, euh, euh, ce n'est pas ça. Maintenant, en ce qui concerne la question de. Rapidement, rapidement. Rapidement. Il n'y a pas de partenaire financier derrière cette question-là. C'est une question de souveraineté en fait nationale. C'est une question pour laquelle l'État du Niger a décidé. Est-ce que c'est ce fonds propre de l'État du Niger qu'il a organisé C'est ce fonds propre de l'État qui a été donc en fait organisé et un décret a été pris en conseil des ministres pour mettre au ministère la disposition, tout le monde à suivi des fonds. Après le dépôt des dossiers et suite au contrôle sur dossier qui s'en est suivi, en mars dernier, plus de 300 enseignants en détenteur de faux diplômes auraient été détectés selon le ministre de l'enseignement primaire Dabdan Mamadou Martin. Après la publication des résultats de l'évaluation, une seconde session de rattrapage a été organisée ce lundi à Niamey et dans les autres chefs-lieux de région du Niger. Avant de vous donner la parole, suivez à présent les réactions de quelques enseignants juste après le texte. On n'a pas vu nos noms sur la liste. On a appelé nos inspecteurs et les directeurs régionaux. Ils nous disent que la situation, c'est pas au niveau d'eux. Ils ont transféré leur nom. Il y a des camarades qu'on a délégués pour aller rencontrer le ministre. Le camarade qui a donné trois noms n'ont pas vu le nom. Le ministre Daouda Alors actuellement, vous n'avez pas vos noms sur la liste. On ne sait pas à quel niveau c'est. Est-ce qu'on vous a dit d'attendre Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire D'après nos camarades qui ont rencontré le ministre, il a dit que maintenant, il ne peut pas prendre une décision. Il va falloir peut-être attendre et revoir les inspecteurs et les directeurs régionaux parce qu'on ne sait pas où se situe le problème. Ce sont eux qui n'ont pas envoyé nos noms ou bien c'est au niveau d'ici qu'ils nous ont résiliés, on ne sait pas. Vous êtes au nombre de combien À peu près ici, nous sommes au nombre d'une douzaine et un seul de filinguiers. C'est pas ma faute si je n'ai pas pu composer parce que c'est eux qui ont fait l'erreur. Je suis diplômé de l'école normale. J'ai le CFEEN. Donc, ils ont classé mon nom parmi ceux qui ont le BPC. Quand j'étais venu vérifier sur la liste, je n'ai pas vu mon nom le premier jour. Parmi ceux qui ont le BPC, j'étais parti réclamer ça. Le président du jury m'a dit non, je ne peux pas composer avec ceux qui ont le BPC. On devrait composer ici. Il n'y a pas nos noms. Nous sommes nombreux. Donc, d'ici, on nous a orientés à la direction régionale de Niamey. On était parti voir les directeur régional. Il nous a dit que lui, l'erreur ne vient pas de lui, il ne peut rien faire pour nous. Ils nous ont dit de revenir aujourd'hui, là où nous devrons composer peut-être, le ministre arrivera et qu'il y aura une solution pour nous. Et jusqu'à présent, voilà, le matin quand on est venu, ils nous ont empêché de composer. Comme nous, nous sommes des diplômés de CFN, c'était le 15 juillet, on a boycotté les, évaluations. Après, nous sommes partis à la maison. Nous sommes venus à Niamey. On a dit que les gens sont en train de partir pour faire l'évaluation. Vers 15h, euh, 16h que nous avons eu l'information. Quand nous sommes partis à Colo, notre inspecteur nous a dit rentrer en classe c'est mieux. Même si vous allez faire la liste de présence c'est mieux. Vous dépassez ceux qui n'ont pas composé. Maintenant nous avons rentré dans la salle et nous a donné une copie. Nous avons traité un exercice quand même au moins dans 10 minutes. Après il a ramassé les copies. Il nous a dit que c'est déjà terminé. Et après notre inspecteur nous a dit venez. Il a dit que notre nom était sorti parmi les 4e groupes, c'est-à-dire la catégorie 4. Et la catégorie 4 seront résiliés et avec préavis. Pour notre cas, on n'a pas fait l'évaluation. Mais nos noms figurent sur la liste de ceux qui ont fait l'évaluation et qui ont une note inférieure de 0 à le jeudi, on a passé par l'inspection des SAI pour expliquer ça à, l'inspecteur. Il a dit qu'ils ont réglé ça au niveau de la DREP de Filabéry. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Hier, à notre grande surprise, ils nous avaient appelé pour nous dire que de ne pas y aller parce que nous, nos noms ne figurent même pas sur la liste. Alors que nous n'avons même pas fait l'évaluation. Maintenant, on est venu expliquer ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de solution. On n'a qu'à aller au niveau de l'inspection encore. On vient juste d'arriver du ministère même. Et maintenant, quelle est la sensation que ça vous fait Dans quel état vous êtes On est vraiment triste. Parce que si on a fait l'évaluation, l'évaluation. On est d'accord à ce qu'ils disent qu'on a été évalué. Mais on n'a pas fait l'évaluation. On n'est pas d'accord à ça et on est à peu près à une dizaine. Nous, ce qu'on attend, qu'ils trouvent une solution pour nous. vous venez là d'écouter quelques enseignants qui n'ont pas pu faire cette session de rattrapage de l'évaluation. Quel commentaire Bien, vous savez, il faut faire l'évaluation, il faut que son nom y figure. J'ai suivi certains commentaires donc par rapport à ceux qui le premier jour ont été en salle, se sont inscrits sur la liste des présences et après on quitte. Donc si sur la liste des présences, il y a votre nom de le départ. En fait, c'est un peu ça. Mais je sais que dans tous les cas, les listes, il faut avoir été déjà candidat dans la liste des dépôts de dossiers. Si vous n'avez pas fait la première étape, votre nom ne va pas figurer. Ou bien si déjà, vous avez été programmé dans le quatrième groupe, si vous voulez, parce que vous avez fait des épreuves à moitié, vous n'allez pas en fait faire. C'est une organisation, donc vous les avez entendus, ils ont en fait, ils ont expliqué. Et ceux qui certainement ont des raisons en fait euh, objectives ou ceux qui leur nom ne figure pas parce que c'est comme ça, c'est que euh, dans la liste, effectivement, on n'a pas voulu mettre leur nom ou parce que dès le départ, ils ont des dossiers incomplets. Vous savez que dans les 1412, euh, en fait, environ, entre les faux dossiers et les gens à qui ont demandé des compléments de ceux qui n'ont pas pu amener, ces là on les a pas affermis parce qu'on a supposé qu'ils sont suspectés eux aussi d'avoir donc des faux diplômes et automatiquement, sur ça, été de les résilier. C'est là à résiliation, c'est pas la peine de venir de, en fait, de faire composer. Bref, sur la base de ce qu'ils ont dit, eux, on ne peut pas se prononcer, mais il y a bel et bien des gens dont les noms ne vont pas euh, fait figurer sur la question donc de l'évaluation. Et l'évaluation a été, a été faite pour que ceux qui ont été forcés par les syndicats de quitter les salles, ceux qui le jour là pour des raisons sociales, santé ou autres, donc euh, n'ont pas pu venir pour qu'ils puissent, en fait, pour qu'ils puissent le faire. C'est ça éventuellement en fait le mobile. Et vous avez vu le grand nombre est à Tilabiri où il y a eu beaucoup de perturbations, donc euh, où les syndicats ont même euh, molesté dans certains cas, n'est-ce pas donc à fait certains, avec les conséquences. Mais Dieu merci, les enseignants de Tilabiri ont après compris et ils ont pris part quand même massivement euh, le lundi donc ici pour faire donc en fait pour faire l'évaluation pour être dans le même euh, ordre administratif que les autres au de se rébeller contre puisque nous l'avons dit tous ceux qui vont se rébeller contre l'administration nous allons euh, absolument résilier leur, leur contrat sans aucune en fait forme de pression, parce que vous ne pouvez pas avoir vous êtes agent à Kalangu si Kalangu n'est pas vous des ordres c'est que ce n'est pas la peine on ne peut pas avoir un super agent Hima vous êtes le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire quel sera le sort des enseignants contractuels qui seront écartés du système après les deux tests. Comme vous dites écartés, vous n'avez pas été en fait, euh, vous n'avez pas été assez précis. Ceux qui n'ont pas fait, on a dit on va réaliser leur contrat. Les autres qui ont zéro ou qui ont un ou moins de un, ça a été clair. Donc on va en tout cas les mettre pour, avec un préavis. Il y a un lot également qu'on va tenter de voir parce que ça qui dit principe, est-ce que si on les fournit en, en, contenu mathématique et français, on peut pas hausser leur niveau. Maintenant aller après voir les pédagogies parce qu'ici il ne s'agit pas des questions pédagogiques, des questions de compétences il s'agit de questions de connaissance de contenu en fait fondamental. Donc ça va durer euh, entre un mois et 45 jours et on va évaluer pour voir leur capacité à recevoir en fait, le Est-ce qu'ils sont aptes Est-ce qu'ils peuvent recevoir et être encore réformés Donc après ça, il y aura une évaluation qui ne peuvent pas. On va les mettre donc euh, pas hors du système, mais pas dans les salles de classe. S'il est possible de les réformer ailleurs, on va tenter, mais il n'est pas question de laisser quelqu'un avec des épreuves de CE et de CM qui a 0 sur 20, de le laisser dans une salle de classe. Ceux qui estiment qu'on peut les laisser, qu'ils rassemblent leurs enfants et nous allons en fait euh, les mettre dans, en fait, en fait, pour qu'ils leur propres enfants. Euh, par rapport aux questions, effectivement, pour le franco-arabe, c'est une question qu'on a posée en fait comme ça en arabe. Entre autres, qu'est-ce qui casse la, en fait, Donc les gens des franco-arabes n'ont pas trouvé. Les questions là sont sur le, euh, les gens ont scanné ça un peu partout. C'est des questions de l'école primaire, des questions que les enfants de l'école primaire sont à mesure de trouver. Je dis bien qu'il s'agit pas d'une évaluation des compétences professionnelles, des performances. Il s'agit d'une évaluation prédictive, pas une évaluation formative, encore moins sommative, une évaluation qui vise à faire quoi À avoir quel est le prérequis minimum que les enseignants ont et sur lesquels on peut se baser pour pouvoir renforcer les capacités de ceux qui peuvent être, les capacités peuvent être renforcées. Celui qui ne comprend pas du tout le français, il y en a qui ont parce qu'ils ne comprennent pas le français. Est-ce que nous avons, le ministère a le temps de le former en français et de l'envoyer dans les classes Non. Dans tous les cas, je pense que c'est quelques 500 000 enfants qui sont concernés. Euh, nous préférons la vie de ces 5 000 enfants que, que les autres. Et le ministère a décidé, en tout cas, le gouvernement a semblé s'assumer par rapport un peu à cette question-là. Parce que il faut à un moment s'arrêter il faut crever l'abcès quand même pour pouvoir guérir souvent à certaines plaies. Alors, Achanima, comment le ministère euh, compte faire avec euh, les enseignants qui ont refusé carrément de participer à cette évaluation Écoutez, je suis en train de vous dire, tous ceux qui ont refusé, on considère qu'ils ne sont plus nos agents parce qu'ils n'ont aucun droit de refuser. Donc, ils vont voir leur nom, qu'ils ne sont plus sur la liste, en tout cas, de la liste à faire des paiements. C'est la chose la plus claire. Hima, en dehors de cette question de l'évaluation des enseignants contractuels, quels sont les autres défis du système éducatif nigérien Comme je vous l'ai dit à mon grand frère Diori, donc nous, on n'a pas dit que c'est seulement ça la question de la qualité. Je vous ai parlé de feux de route, je vous ai parlé des réformes au niveau des écoles normales, je vous ai parlé de la gestion rationnelle des ressources donc en fait humaines. En vain, nous actuellement un comité donc euh, avec les partenaires pour qu'on réfléchisse comment faire le déploiement, puisque les gens parlent des gaps, beaucoup donc vont quitter, seront leur donc résiliés. Comment redéployer les les enseignants des milieux urbains les milieux ruraux, puisqu'il y a un grand nombre, par exemple, le surplus dans tous les grandes villes, vous avez un surplus. Et nous avons mis en place un comité à l'enseignement secondaire comme à l'enseignement primaire pour qu'ensemble on définisse les critères de ce redéploiement-là, de manière à ce que chacun puisse suivre pour que ça soit en fait objectif. donc l'autre défi, c'est aussi la communauté. cest à que l'école n'est pas une affaire simplement de l'État. les enfants en classe sont sous la, Mais lorsqu'ils reviennent fait à la maison, il y a donc les CGDS qui sont en train de faire un travail pour sensibiliser les mères, les mères pour amener donc leurs filles à l'école, pour sensibiliser les parents avant que chacun s'occupe. C'est pour cette raison que la nationale des parents d'élèves, ils prennent part à toutes les activités qu'on est en train de faire. Donc c'est un tout qui doit s'y mettre et l'enseignement secondaire et toutes les machines, les segments de l'enseignement doivent se mettre en branle. C'est pour cette raison, dis-je, qu'au lieu de perdre cette fois-ci, on a fait un programme secteur de l'éducation et de la formation qui a un caractère holistique qui met ensemble les différents segments parce qu'ils ne sont pas isolés, si l'enseignement primaire ne marche pas, l'enseignement secondaire ne va certainement pas marcher à fortiori, donc l'enseignement personnel est technique. C'est un peu l'ensemble de ces mesures-là qui sont dans ce qu'on appelle la feuille de route à faite qualité, qui comprennent à la fois des volets pédagogiques, des volets institutionnels, mais également des volets donc à fait des réformes avec euh, la création surtout des écoles normales. Et donc aujourd'hui nous avons 11 et des recyclages importants qui vont se faire dans SAIA, des recyclages importants des conseils pédagogiques. Il y en a 144 qui viennent de, qui ont quitté la semaine passée et les directeurs d'école également des milliers vont être formés pour que la question de l'encadrement après des proximités puisse se faire de manière à ce que chaque année qu'on ait un dispositif qui va nous permettre d'avoir les insuffisances constatée au long de l'année par rapport donc à fait, à fait aux enseignants. Il y a une direction, comme vous l'avez spécifique, à fait à ça, qui est la DFIG, qui fait un travail remarquable en matière de renforcement de capacité des enseignants en lien avec les écoles normales d'instituteurs que nous avons créé donc sur l'ensemble du territoire. Issa Omarou, représentant la synergie cause niger selon vous, ce début de diagnostic a-t-il été transparent Oui, merci. Euh, avant donc de répondre à cette question, je dois rappeler à M. Achana que le Conseil d'État n'a pas, oui, le Conseil d'État n'a pas débouté la synergie cause Niger. Le Conseil d'État a tout simplement dit que la requête est irrécevable. La requête est irrécevable tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'adresse des différentes structures. Et pour cela, je dois informer l'opinion nationale que nous avons reformulé notre requête et nous allons et nous, nous avons déposé au Conseil d'État. Il n'y a pas eu de jugement de fond pour qu'on dise que le Conseil a débouté. Et il va falloir que pour nous, en tant que structure cause Niger Sinacep, jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, nous maintenons notre position de rejet de cette évaluation et nous pensons que cette évaluation elle est illégale. Maintenant, par rapport à la transparence, je l'avais dit tantôt, il n'y a pas eu de transparence. Je vais donner quelques exemples peut-être qui vont peut-être vous paraître surprenant quand vous prenez par exemple des enseignants qui n'ont pas composé, qui se retrouvent sur la liste des admis. Comment vous avez fait pour vérifier tout cela Oui, parce que lorsque nous avons vu le résultat proclamé par le ministère, nous avons compris qu'il y a un écart de 1112 enseignants. Comment est-ce qu'il peut avoir un écart de 1112 enseignants Et c'est après que nous avons fait nos recherches, nous avons compris effectivement qu'il y a des enseignants. Le seul enseignant peut se retrouver sur la liste des absences et se retrouver sur la liste de ceux qui ont passé le, le test et ceux qui sont admis. Maintenant, par rapport à ça, nous avons compris effectivement ensuite que ensuite qu'il y a des inspecteurs, il y a des directeurs régionaux, il y a des agents du ministère en complicité avec tous ceux qui ont organisé cette évaluation, ont posé des actes de fraude. Ça veut dire qu'il y a des enseignants qui n'ont pas fait l'évaluation, qui se sont retrouvés sur la liste des admis. Il y a ceux qui sont, après la proclamation du, du ministre, qui sont dans le quatrième lot qui est qui est censé être résilié selon le ministre et ses collaborateurs, qui se sont retrouvés après sur la liste des admis. Donc pour nous, il n'y a pas de transparence. Comme nous l'avons dit, l'objectif visé par le ministère, en réalité, ce n'est pas l'amélioration de la qualité. Nous l'avons dit et nous avons alerté l'opinion en ce temps. Vous avez compris et vous avez suivi le ministre lorsqu'il faisait sa campagne à l'intérieur du pays. Il a tout simplement dit qu'ils veulent tout simplement identifier les lacunes et y remédier. Et il a clairement notifié dans toutes les régions qu'aucun enseignant ne sera résilié suite à cette évaluation. Vous l'avez suivi, Monsieur Achana le sait, mais avec une très grande surprise, vous avez vu après la proclamation, c'est le même ministre qui est revenu dire qu'il y a des enseignants qu'on ne peut pas garder. Et ces enseignants qu'on ne peut pas garder, le représentant de l'ASSO EPT l'a dit tout à l'heure, ce, ce, ne sont pas des enseignants qui se sont recrutés eux-mêmes, ce sont des enseignants qui ont été recrutés par leur propre système. Ce sont des enseignants qui ont été recrutés par des inspecteurs, par des conseillers pédagogiques, par des directeurs régionaux et par la portion centrale même du ministère. Donc il n'y a pas d'évaluation préalable pour recruter ces enseignants parce que les institutions internationales ont exigé du gouvernement du Niger la réduction de la masse salariale. On ne trouve pas où réduire cette masse salariale, c'est au niveau des enseignants. J'ai rappelé quelques faits par rapport au reversement des enseignants contractuels dans les municipalités. Cette situation vise uniquement de camoufler un peu la masse salariale allouée aux enseignants contractuels. Et vous avez suivi aussi le contrôle de la Halcia, qui on attend toujours aujourd'hui le résultat de, de cette enquête. Alors, Isaka, Oumarou euh, de la synergie cause niger après cette évaluation, à quoi doit-on s'attendre Quel sera le sort de la rentrée scolaire prochaine Oui, mais il est aussi évident que si le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement primaire, ne revient pas à des meilleurs sentiments, ne revient pas pour dialoguer avec les structures syndicales, vous avez remarqué l'année scolaire 2016-2017, dans quelles conditions ça s'est passé. Bien que le gouvernement s'est entêté à valider cette année, nous savons tous il n'y a pas eu une année normale. Et si rien n'est fait, l'année scolaire 2017-2018 connaîtra le même sort que l'année 2017 et sinon pire parce que aujourd'hui, vous avez vu, cette évaluation a sémé la confusion. Cette évaluation a créé la zizanie. Elle n'a pas atteint l'objectif parce que si on veut améliorer la qualité, on ne peut pas euh, administrer les mêmes, questions, les mêmes questionnaires aux enseignants pendant trois jours. On ne peut pas prendre des enseignants qui sont dans le quatrième groupe et les reverser dans le premier groupe. Donc, je je euh, dois tout simplement dire que si rien n'est fait d'ici la rentrée prochaine, l'année scolaire connaîtra le même sort, sinon pire que celle de l'année passée. Et qu'est-ce que vous craignez pour vos militants non, on ne craint rien pour nos militants parce que nous, nous avons tout simplement expliqué à l'opinion nationale que l'évaluation telle que veut le faire aujourd'hui le ministère, elle est illégale. Donc si l'évaluation est illégale, le ministère ne peut pas prendre des décisions par rapport à nos militants qui n'ont pas fait cette évaluation ou bien qui ont échoué. Maintenant, je l'ai dit tantôt, nous avons, nous avons reformulé notre requête que nous avons adressée au Conseil d'État. Le Conseil d'État va faire un jugement de fond. Je suis désolé d'entendre M. Achana dire que la synergie a été déboutée alors qu'il n'y a même pas eu on va revenir à Enusa Hassan Djouri, vous qui représentez ASSO EPT. Selon vous, quelle était la meilleure façon de détecter le faible niveau des enseignants Bien, merci. avant de répondre à votre question, j'ai entendu tout à l'heure le petit frère Achana dire que j'ai réagi sans pour autant savoir comment l'évaluation a été organisée. Au fait, je n'ai pas voulu verse dans cette polémique-là. Au fait, cette question d'évaluation, il faut le dire clairement, c'est un licenciement déguisé. C'est ça le licenciement déguisé. C'est un licenciement déguisé des travailleurs. C'est ça qu'ils ont, c'est à ça qu'ils ont procédé. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce qui se passe au Niger. Tout le monde est informé. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés financières. Ça, tout le monde le sait. Et on a vu comment on procède au paiement des enseignants. Ils font souvent un mois, souvent deux mois sans être payés. Et il n'y a pas que le domaine de l'éducation. La question financière, tout le monde sait aujourd'hui que ce pays-là traverse des difficultés financières Eh bien, je vous dis la vérité, c'est un licenciement déguisé qui a été fait. C'est ça la vérité, euh, petit frère Achana. On ne va pas tirer sur la question, question de concours ou pas concours. Euh, ces agents-là ont été recrutés par l'État. Aujourd'hui, la défaillance, c'est l'État. C'est l'État qui a posé la question. Là. Et ça, comme il l'a dit, c'est les bailleurs de fonds qui ont amené l'État à recruter sur l'État des gens qui sont brevetés. Il est évident qu'ils n'ont aucune formation pour enseigner, pour en tout cas enseigner euh, la question technique de l'information. On le sait bien. Donc, ils savent eux-mêmes, quand ils ont recruté des gens qui ont le BPC, ils savent également qu'il y a des gens qui ont des Diplôme. Mais tout ça, ce n'est pas aux enseignants de chercher quels sont ceux qui ont les, faux diplômes et les écarter. C'est une responsabilité de l'État. C'est à l'État de se mettre au travail pour chercher quels sont les enseignants détenteurs de faux diplômes. À partir de ça, déjà, ils peuvent, rentrer, ils peuvent rompre, rompre un contrat parce qu'ils savent que le monsieur a triché. Mais la question d'évaluation de cette manière-là, qui est faite de cette manière et qui a provoqué aujourd'hui un conflit entre les enseignants et le, gouvernement. J'ai dit, les enseignants, ils, ne doivent pas être en conflit avec le gouvernement. C'est leur employeur. On doit toujours trouver un terrain d'entente. On doit trouver une autre méthode qui peut permettre de mettre de côté les enseignants qui ne peuvent pas enseigner. Il y a plusieurs méthodes. Donc quand la méthode n'est pas bonne, on peut réfléchir pour voir comment on peut trouver euh, une, porte de sortie. Mais chacun a campé sur sa position. C'est normal qu'on arrive dans une situation comme ça. Et quand on arrive dans une situation comme ça, il faut forcément chercher une porte, une, porte de sortie. C'est-à-dire quand chacun va camper sur sa position, il est évident qu'à un certain moment, la corde va casser. Et si ça casse, c'est le pays qui perd. Aujourd'hui, ils sont en train de recruter. Ceux qui sont en train de recruter là, on n'a aucune garantie qu'ils sont bons. Quelle et la garantie qu'on a qu'ils sont bons Aujourd'hui, au Niger et même partout ailleurs, ce n'est pas le diplôme qui fait la qualité. On peut avoir des diplômes et être un, mauvais enseignant. On a vu d'ailleurs dans n'importe quel domaine. Ils sont en train de recruter. Dieu seul sait ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous permettre de sortir de la situation encore dans, laquelle nous sommes Achanahima, euh, vous êtes le représentant du ministère de l'enseignement primaire. Comment vous préparez la future rentrée scolaire Quelles sont vos propositions pour une euh, éducation de qualité au Niger Rapidement, en une Bien, euh, rapidement, je vais d'abord élever un fait il dit qu'on n'est pas en train de recruter. Donc, ah. je ne sais pas où bon, On n'est pas en train de Allez-y. lorsqu'il y a un recrutement, il y a un acte qui sort qui dit on recrute. Pour le moment, on n'est pas en train de le faire. Et c'est qu'il faut comprendre. Chaque fois qu'il y a des réformes dans le système éducatif, les partis ont leur position, notamment les syndicats ont leur position. Quand on a fait le double flux, et même quand on a fait le vol de conversion, les syndicats, les syndicats, les syndicats n'étaient pas pour, ils étaient contre. Rappelez-moi comment vous préparez la future. Non, pour dire, pour dire que le simple fait que les syndicats soient contre l'évaluation, en fait, ne veut pas dire que c'est, fait, toujours comme ça. En matière donc euh, de, pédagogique, il y a toujours des positions d'école. En matière de gouvernance. En matière de gouvernance, il y a toujours des positions d'école fait. Mais je pense que pour la suite, nous préparons effectivement à faire la rentrée, à faire post, à faire évaluation, On a à l'esprit un certain nombre de préoccupations des enseignants, en particulier la question des paiements. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une affaire de bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, les, trucs de contracteurs, ce n'est pas dans, la rubrique salaire qui, où il y a un ratio de 5%. C'est dans les titres, donc, transfert. Les, bailleurs de fonds s'en fichent de nombre de choses là. En fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une situation, n'est-ce pas, qui est obligatoire, dont il faut, en fait, en fait y faire face. Selon nous vous, ce qu'il va avoir une bonne rentrée scolaire Il va avoir une bonne rentrée scolaire. Comme je voulais, nous venons d'installer un comité. C'est une sorte de négociation qui va faire sur comment faire le redéploiement. Ensemble, on va décider. Sur les autres questions, les questions des paiements, des, des questions en fait euh, relatives à l'immatriculation, les autres questions. Parce que cette question est venue mettre la polémique alors que nous avons ensemble donc un autre chantier. Est-ce que vous allez renouer langue avec euh, les syndicats? est Est-ce qu'ils eh, pense qu'il mais il y a pas de le syndicat n'existe pas qu'elle négocie pas. Qu'est-ce qu'il va faire s'il ne sait pas négocier Et nous également le ministère eh, n'a pas le choix que de travailler avec tous les partenaires de toute façon. Qu'on s'entende ou qu'on s'entende pas, nous sommes donc en fait obligés de nous assortir donc en fait et de parler. Chacun va expliquer ça. Peut-être que d'un peu de temps, on comprendra que ce que nous avons fait était indispensable pour le système éducatif. Les syndicats vous pouvez le comprendre. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Ashana Nahima, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Isaka Omaru, représentant la synergie cause Niger Sinaseb. Nous étions également avec euh, Inus Hassan Djouri, représentant EPT, la coalition des ONG et associations pour une éducation pour tous. Merci à vous tous euh, de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence euh, de nos 31 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.